Euh, Assane Diagne président de l'association Toi du Monde Sénégal waaw est euh, que benn activité bu bees la bu démarrer dans le cadre de notre plan d'action bu ñu euh, les rendez-vous de la vie associative chaque deux mois nous avons un thème sur la vie associative les gens s'activent dans des associations mais généralement ils connaissent pas leur rôle ils connaissent pas leur rôle Ils ne sont bëgg président ils nga yëkkat sa loxo bëgg trésorier nga yëkkat sa loxo sans autant nga xam ce euh, rôle pour que nga vraiment euh, gérer fonction fonctions. Euh, donc chaque deux mois aussi on a un thème pour suñu première édition Euh, c'est sur la base, après un diagnostic que nous avons fait, que les jeunes passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux waaw que ni xale yi dañuy jël temps bu bari di ko les réseaux sociaux yi maanaam ñii ñoo WhatsApp ñi ñoo Twitter ñi ñoo TikTok mais généralement xéna na ça ne les profite pas et buñ xolé firme yooyu nek ci ginnaaw euh, application yooyu noonu ñom il profite des jeunes. voilà Les nag ñu ni il faudrait que que jeunes yooyu ñu protéger leen D'abord ñu xamné ne bu ci biir réseaux sociaux yi euh, lan mo leen ci am comme risque lan mo leen ci mëna fekk. ah parce que mën nga ànd ak sa doom nga yaakaar ne tëdd na fekk na moo ngi tëdd ci biir mbàjjam ba deux heures trois heures du matin nekk di connecté ci internet lan la fay def kon c'est une manière pour nous ñu joxe euh, ay astuces pour les jeunes pour que temps boobu noonu ñu utiliser ces réseaux sociaux yi que temps boobu noonu mu mën leen amal njëriñ donc loolu moo wund formation bu tey bi nga xam ne moom mooy première édition ci activités yi ñuy def yu tuddee les de la vie associative. lan mooy ngeen jàpp ne moo mooy. Euh, que euh, réseaux sociaux yi boo ko utiliser dafa war a euh, gagnant gagnant parce que ay ay ngan entreprise ñom ñoo nekk ci ginnaw et li ñu nit ñi xamul moy entreprise yoy nonu ñewuñu rek ñu am seen mbaax ah que ni bo bëggee nga nga nekk Facebook da nga ñew nga mu nekk gratuitement WhatsApp c'est gratuit Twitter yoy yëpp da ngay da ngay abonné gratuitement mais derrière nit ñi xamuñu ni ñom quelque part ñoo ngi lay jël say information diko jaay. et ça leur rapporte énormément d'argent léegi léegi formateur mu ngi doon jox exemple naan ku ku la doon jaay total ak mu lay jaay Facebook ban ngay jënd ni ñu yaakaar ne total nga xam ni moo ngi nekk ci domaine hydrocarbure essence infrastructure yi nga xam si moo nekk yëpp ci ginnaaw ah ñu bari dañu yaakaar ne total xëy na moom mooy gën a gën a cher alors que soo defee euh, nga xool prix euh, action wu total en bourse actuellement ñoo ngi koy sa se change entre trente quatre euh, dollars alors que bu Facebook. benn action mu ngi jar deux cent cinquante deux cent cinquante dollars y' a pas photo kon lu tax Facebook nga xam ne benn application la rek benn site la rek gën a cher action totale c' est parce que derrière am na lu muy jaay lan lay jaay c' est de ce sont des données ce sont des informations yoo xam mu ngi koy jëlee ci ñi nga xam ne dañoo yaakaar ni c' est gratuit alors que c' pas gratuit donc kon jeexital bi mooy jeunes yi temps boobu noonu ñuy passé ci a xam ne que temps bi ni na lañ mën nañ ci am as

xam ne message bi mooy ñoo xam ni euh, mën na mën na am ñaari fànn euh, outil la comme ni xaalis nekk outil xaalis mën nga ci def lu baax kon mën nga ci def lu bon mais réseaux sociaux aussi la mën nga ci def lu baax kon mën nga ci def lu bon kon jeunes yi nañu fexe ba ñu ñëw ñu tàggat leen ba réseaux sociaux yooyu nga xam ne dañ ci passé pratiquement le tiers de leur temps de veille parce que nous avons temps day nelaw mais le tiers de le temps d'éveil xale yi ko seetloo ñoo ci réseaux sociaux il est en moyenne une personne touche 250 fois son téléphone par jour loolu je pense duñ ko toucher course duñ ko toucher livre duñ ko toucher leneen 250 fois par jour sa téléphone donc du coup loolu noonu ñuy utiliser il faudrait que ça puisse être bénéfique pour nous mu amaleen donc vraiment à chaque fois nous avons la c'est ça. voilà ça c'est une initiative de l'association Toi du Monde Sénégal donc qui vient vraiment de mettre sur pied ce que nous avons appelé chez nous les rendez-vous de la vie associative. Euh, on souhaiterait tous les deux mois inviter les jeunes à au moins essayer de, mieux s'engager dans des associations. En quoi faisant on va essayer de voir à chaque fois euh, quels sont un peu les problèmes qui se posent à leur niveau et qu'on puisse vraiment y apporter des solutions. Et pour la première édition, nous avons préféré au moins voir au niveau de le, temps que les jeunes passent sur les réseaux sociaux. On dit qu'un jeune pratiquement touche plus de 250 fois son, son, téléphone par jour. Il ne le touche pas euh, un chapelet, il ne touche pas un livre, il ne touche pas son cahier 250 fois par jour. Alors que son téléphone, il l'utilise 250 fois pour son temps juste d'éveil. Parce qu'il y a un temps d'éveil et un temps de sommeil. Donc c'est pourquoi on souhaiterait que ce temps-là que les jeunes passent sur les réseaux sociaux, que, ça puisse leur être bénéfique. Et qu'ils puissent au moins avoir les rudiments qu'ils pourront euh, qui pourront leur permettre de, connaître vraiment quels sont les dangers auxquels ils sont exposés et comment est-ce que donc euh, ils peuvent profiter euh, de ce temps-là qu'ils passent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce le soir du thème Le c'est après un diagnostic de ce que je disais tout à l'heure, le temps-là que les jeunes passent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez être avec votre enfant à la maison, et il vous dit je vais, je vais aller au lit, vous pensez qu'il est en train de dormir, alors que sous sa couverture, il peut rester ou elle peut rester pendant au moins jusqu'à 2 h du matin, 3 h du matin, alors qu'il il ou elle est en train vraiment de se connecter jusqu'à ces heures-là. Qu'est-ce que l'enfant est en train de faire L'enfant utilise les réseaux sociaux, TikTok, euh, euh, WhatsApp, Facebook, etc. Alors que, à la fois, comme il y a euh, du profit, il y a aussi un danger il y a vraiment ce qu'on appelle les hackers, il y a vraiment euh, ceux qui font des chantages aux jeunes. Il faudrait à partir de nous, des formations que nous donnons, qu'on puisse montrer aux jeunes quels sont les risques auxquels ils sont exposés et leur donner vraiment les, astuces pour pouvoir les éviter. L'autre aspect, c'est que ces jeunes-là puissent mieux utiliser ce temps-là pour que ça puisse leur rapporter. Parce que les entreprises qui sont derrière, vous pouvez penser que c'est gratuit parce que Facebook, vous ne payez rien, WhatsApp, vous ne payez rien, euh, euh, TikTok, vous ne payez rien, mais derrière, eux, ils gagnent les jeunes aussi, ils doivent savoir qu'ils peuvent gagner comme ces entreprises-là. Sur YouTube, sur WhatsApp, sur Facebook, ils, ça peut le rapporter. Et c'est temps-là que nous, nous utilisons en deux jours, on les donne les rudiments pour qu'au moins qu'ils puissent avoir quelque chose euh, en utilisant ces réseaux sociaux-là. Quel est le message euh, à l'endroit de cette jeunesse utilisateur des, réseaux sociaux euh, Le message, c'est toujours d'être prudent. Parce que, comme j'ai dit, c'est un outil. c'est un outil comme l'argent aussi est un outil. Tu as ton argent, tu peux faire quelque chose de bien avec ou bien aussi faire quelque chose de mal avec ton argent. Alors que le réseau social aussi est un outil de telle enseigne qu'on peut faire quelque chose de bien avec cet outil-là, comme on peut faire quelque chose de mal. Nous, notre vocation, c'est de préserver les jeunes, leur donner vraiment les, astuces pour leur permettre de pouvoir utiliser, mieux utiliser les réseaux sociaux pour que ça puisse leur profiter.